Vendredi 17 mai 2024, euh, il est 18h15 euh, au studio Soumana Amadou de Kalangou. C'est l'heure de notre émission hebdomadaire Forum de la presse, une émission à travers laquelle nos confrères décryptent les faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Comme d'habitude, nous avons trois sujets. Le premier est relatif au point de presse euh, le 11 mai 2024 du Premier ministre nigérien Ali Mohamed Laminzen relativement à l'interdiction par le président béninois de l'exportation du pétrole brut nigérien via les ports de Sémé. La fin de la visite euh, de travail de deux semaines du ministre des Mines, le commissaire colonel Ousmane Abarchida, la région d'Agadez, au terme de celle-ci, d'importantes décisions dans le secteur minier du Niger ont été annoncées par les ministres. Et notre troisième sujet pour ce soir, euh, il s'agit de la grogne des populations du village de Nogaré dans le 5e arrondissement de Niamey. Ils protestent entre autres contre la construction d'un mur de l'université Abdou Momoni qui traverse leur village pour décrypter ces trois sujets, chères auditrices, auditeurs du studio Kalangou. Au plaisir de recevoir euh, M. Abba Kari Arumi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Abba. Bonsoir Tarnan. M. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir M. Abdoulaye. Bonsoir. Seni Issa Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir Douane. Bonsoir, comment tu vas Très bien. À la modération, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique euh, sera assurée par Ayouba Mustafa. Le 11 mai dernier, Ali Mohamed Minzen, le premier ministre du Niger, s'est adressé à la presse nationale et internationale relativement à la décision unilatérale des autorités béninoises d'empêcher les chargements des bateaux avec les brutes nigériens à la station terminale de Sémé. Les autorités béninoises exigent l'ouverture de la frontière Niger-Bénin pour autoriser les chargements. De leur côté, les autorités nigériennes évoquent la fermeture de ces frontières pour des raisons de sécurité. C'est mercredi euh, Benin a indiqué avoir autorisé le chargement de ces bateaux après une rencontre avec la délégation chinoise. Je vais commencer par vous, Monsieur Abdoulaye Soumana. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cette situation Quelle situation d'avoir L'embargo sur euh, le chargement du brut nigérien ou bien la levée de, cette, de cet embargo hier qui a été annoncé. L'un dans l'autre, euh, c'est le Bénin qui a joué des cas. La semaine passée, effectivement, on a appris de la bouche même du président de la République euh, béninoise l'interdiction de chargement du brut euh, nigérien. Alors, au niveau du Bénin, ils ont prétexté que c'est parce que le Niger n'est pas très ouvert au lendemain de la fermeture de la frontière entre les deux pays, le Bénin ayant ouvert sa sa partie. Le Niger, jusque-là, tarde à ne pas le faire. Le Niger estime que c'est pour des raisons purement sécuritaires, étant donné que dans les sections de la CDAO que le Niger a connu, il y a eu cette menace d'agression de notre pays. Le Niger campe toujours sur sa position, comme quoi jusque-là, les troupes françaises qui ont été chassées de notre pays ont trouvé refuge au Bénin et que c'est de bonne guerre. Il y a des inquiétudes légitimes de ne pas avoir confiance à leur vis à -vis que le Bénin. Surtout que euh, Baptiste Baptiste est une personne, s'était montré comme un chef d'État vatanguer contre euh, le, le Niger. Mercredi, n'est-ce pas On a appris lors d'un point de presse que la partie béninoise autorise un premier chargement, n'est-ce pas, brut nigérien. Il y a eu une visite euh, d'une délégation chinoise de haut niveau conduite par le directeur général de la CNPC. Nous allons revenir sur ces points de presse, mais monsieur euh, Abdullah Soumana, selon vous, est-ce que ces raisons évoquées sont fondées Bon, je crois que euh, le président Patrice Talon a voulu se mettre en scène parce que moi j'ai estimé que c'était vraiment une, c'était mal placé, n'est-ce pas, donc euh, de, son côté, pour pouvoir, n'est-ce pas, monter au créneau comme ça et interdire, n'est-ce pas, et le, chargement du brut nigérien, alors que, étant donné que au niveau du Niger, il n'y a aucun problème, les termes de contrat qui lient les deux pays, n'est-ce pas, sont respectés. Voilà, nous allons donner la parole à doyen Ousseini Issa. Le Bénin est revenu sur sa décision et évoque une autorisation ponctuelle et provisoire. Qu'est-ce qu'il faut concrètement comprendre par celle-ci D'abord, ce n'est pas une autorisation ni ponctuelle ni provisoire. C'est une autorisation définitive. C'est un projet. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas entre le Niger et le Bénin que ce projet a été signé. C'est avec la Chine. N'est-ce pas ce n'est pas une affaire de deux pays où je peux mettre la pression sur l'autre parce que tu refuses d'ouvrir ta frontière. Alors moi, je vais aussi empêcher que tu pétrole. Le pétrole, là, qui le sort Les tankers qui sont arrivés là, l'immatriculation des tankers. Vous avez cherché à savoir c'est des tankers qui sont venus d'où C'est des tankers chinois. Alors, le Bénin la peut dire à la Chine, oh, je ne m'entends pas avec le Niger. Votre pétrole là ne va pas sortir. Ils sont arrivés hier, hier seulement. Ils sont venus le matin, ils se sont entraînés avec les autorités chinoises. Ils ont dit, faites attention, hein. on ne s'amuse pas avec des intérêts aussi importants. On doit commencer à exporter le brut là à compter de ce jour. On parle de jour. Hein. Voilà la situation dans laquelle on est. Les Béninois sont, ils ont compris, les Chinois sont venus, ils ont tiré. Parce que dans tous les cas, ici au Niger, les gens se sont dit, bon, <laughs> dans tous les cas, il y a un puissant, plus puissant que nous. Sur un coup de tête, tu as décidé que c'est des conventions qu'on ne devait pas remettre en cause. Donc le poids de la Chine a pesé dans Non, il n'y a plus rien à faire. C'est la Chine qui a pesé dans cette affaire. Le même jour, ils se sont entretenus le matin. Il y a eu conférence de presse. On a dit, ah, le Bénin a décidé de manière provisoire et temporaire. Mais quel temporaire C'est des conventions qui ont été signées. En aucune manière, on doit bloquer le passage de ce pétrole-là. À partir du moment où ça commence à couler dans le pipeline, il n'y a personne qui peut bloquer. Maintenant que quelqu'un se lève un beau matin parce qu'il considère qu'il est souverain, il n'est pas souverain. Parce qu'on l'a dicté, il faut bloquer. Est-ce que vous avez des preuves qu'il a été Quelle preuve On n'a pas besoin de preuves. Laisse tomber, s'il te plaît. Quelle preuve On lui a dicté, non, il faut bloquer pour faire mal. Les Chinois se sont levés pour dire, mais comment Talon, tu vas oser nous faire des choses comme ça parce que on t'a dit de faire, attention. Nous avons beaucoup d'intérêts chez toi. Donc vous voulez dire qu'on ne touche pas aux intérêts euh, Non, on ne peut pas. Non, mais comment ils peuvent toucher aux intérêts Non, c'est parce qu'ils ont mal calculé. En se disant que non, on peut se lever un matin parce que tout simplement, non, il y a d'abord des clauses, des conventions et tout là qui ont été signées. Au moins une dizaine de textes de loi par rapport qui régissent ce pétrole. Comment tu peux te lever un beau matin parce que tout simplement, l'autre dit, ne vont pas sa frontière. Non, tu vas sur un autre terrain pour dire, parce qu'il a refusé d'ouvrir sa frontière. Moi aussi, ce qui coule dans le sous-sol là, pour arriver avec un autre partenaire plus puissant que nous tous. Sans négocier avec euh, les autorités nigériennes, Cotonou est revenu sur sa décision, même si cette décision est temporaire. Selon vous, Monsieur M. Euh, Arumi Abba, est-ce que Bénin aurait-il imposé des conditions soit à la Chine, soit au Niger via la Chine non, c'est la Chine qui a imposé euh, des conditions. Donc c'est le contraire. Au Bénin, vous vous rappelez, euh, à la veille de la levée de la fermeture de la frontière par la CDAO, euh, le président béninois était déjà en Chine. Quand il, a, il est revenu, il s'est mis quand même à quatre pattes pour dire le, les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina, on n'a qu'à leur donner ce qu'ils veulent il faut leur demander de revenir à la CDAO. Donc ça, c'est le deuxième épisode de ce feuilleton euh, que nous venons de voir. Il n'y a pas de doute. Bon, le Premier ministre nigérien a été clair là-dessus. Hein. Il dit non, leur interlocuteur, c'est les Chinois. Ils vont régler ça entre eux. Et les Chinois n'ont pas lésiné euh, parce que c'est des intérêts euh, financiers, des intérêts économiques vraiment très importants qui sont en jeu. Il s'agit du pétrole produit, l'entièreté du produit du pétrole exporté pratiquement par le Niger. Euh, qu'il s'agit et ils ont mis énormément de temps pour euh, exploiter et ils s'attendent vraiment à tout de suite euh, combler les dépenses et rentrer dans les bénéfices. Ce n'est pas de la blague ça. Maintenant, par rapport à cette guerre euh, bien entendu, euh, le Talon avait nettement tort parce que quel que soit ce qui l'oppose euh, au Niger, le pipeline fait l'objet d'un accord spécifique entre le Niger et le Bénin et ça ne devait pas souffrir, n'est-ce pas, d'une suspension quelconque. Il en a abusé. Bon, c'est certainement la seule flèche qui est à son arc il a voulu se faire entendre. Et sincèrement, il s'est fait entendre. Euh, c'est peut-être ce qu'il a visé. Euh, mais quelque chose, il est dit dans ce contrat qui n'est pas très public encore, qui n'est pas en tout cas parvenu à nos mains encore, mais il serait dit là-dedans que quel que soit ce qui arrive, n'est-ce pas, le pétrole doit continuer à couler dans cette olivier. C'est ce que le Premier ministre a cité dans son point de presse. Ceci étant, notre frontière est fermée. Et, sincèrement, moi, je me pose des questions sur les raisons que vous avez posées sur la, question de fond. Euh, au fond, qu'est-ce qui bloque euh, Sincèrement, moi, j'avoue ne pas savoir et ne pas comprendre aussi. Parce que, euh, quoi qu'on dise, la nature nous a mis ensemble avec le Bénin, le, bon Dieu nous a mis ensemble avec le Bénin. Nous avons des frontières et ces frontières, nous les avons à vie. Moi, je suis persuadé que la population de la région de Dosso, particulièrement les, départements de Gaïa et autres, les gens souffrent à cause de cette euh, fermeture-là. Mais Moi, je pense que à Gaïa, par exemple, à Gaïa, euh, il y avait une manifestation la population une manifestation, C'est une euh, manifestation. si vous demandez aux gens dans les mêmes conditions de venir manifester pour que la frontière soit ouverte, ça sera aussi la même chose. Moi, je suis persuadé. Parce que tout simplement, hein, c'est notre port naturel, le cotonou, n'est-ce pas On ne peut pas, à cause du comportement euh, d'un être humain, n'est-ce pas, aussi président soit-il, n'est-ce pas, euh, ne pas vouloir redescendre de ces grands chevaux. Je pense qu'on doit mettre cette crise-là derrière nous. On en a assez souffert, les gens nous ont injustement fait souffrir, mais on doit... Euh, c'est un grand pays, le Niger qu'on dise désormais, surtout que nous avons le pétrole quand même, notre pétrole qui coule dans leur, euh, sur leur territoire. Euh, on sait que nous ne sommes pas n'importe qui. Eux aussi, ils en souffrent encore de cette machin. C'est pourquoi ils font des pieds et des mains. Et ils cherchent des solutions inadaptées, souvent même pour que cette frontière-là soit ouverte. Moi, je pense qu'on doit ouvrir cette frontière et euh, veiller sur nos frontières. Je pense que euh, si on doit nous attaquer de ce côté-là, il n'y a pas que par le pont de Gaïa qu'on va nous attaquer. Et donc vraiment, euh, il y a lieu d'ouvrir ces frontières, cette frontière-là, pour que la population vaque à ses occupations, parce qu'il ne faut pas oublier, et on le sait, les autorités le savent certainement mieux que moi, c'est le même peuple de part et d'autre de la, de la frontière. Dans un point de presse qu'il a animé, Samu... Saibou Adembi, ministre béninois des Mines, a indiqué WAPCO a sollicité une réunion inter-État Niger-Bénin du pilotage des projets afin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite euh, des opérations d'exportation du pétrole. Monsieur Abdoulaye Soumana, selon vous, est-ce que cette réunion débouchera indéniablement dénouement de cette crise Je crois que la réunion va déboucher sur euh, un dénouement de la, de la crise, une crise créée euh, par euh, le Bénin, il faut, il faut le dire. L'instant où le Niger, de bout en bout, a eu à respecter n'est-ce pas, le contrat qui est consigné dans les termes de contrat relatifs à, la construction et à, la construction de l'olodique et l'exportation du plutôt nigérien au niveau de Sémé, donc au niveau de, de Bénin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, la vie dit tout à l'heure, la délégation chinoise de haut niveau conduite par euh, le DG, n'est-ce pas, donc euh, de la CNPC, n'est-ce pas, a rencontré le président Talon euh, à la Marina mercredi. Et quelques petites minutes après, il y a eu une conférence de presse qui a sanctionné, n'est-ce pas, cette audience au cours de laquelle vous venez de le dire, n'est-ce pas, le Bénin a autorisé la levée provisoire, n'est-ce pas, et ponctuelle de, de, de, de l'exportation du chargement du brut nigérien. Et dans le même point de presse, effectivement, le ministre des Mines et de l'Énergie béninois a indiqué qu'il y aura une réunion tripartite entre les trois pays je crois que la réunion, le Bénin a déjà donné son accord, toujours selon ce que Adambi a, a dit lors du point de presse. La partie nigérienne euh, va également se prononcer sur euh, la question, étant donné que la même mission euh, chinoise qui était à Cotonou serait ce jour, donc vendredi, n'est-ce pas, attendue à, à Niamey. Donc on estime que dans les pourparlers qu'il y aura entre la partie chinoise qui est au centre, n'est-ce pas, donc, de, ce, de, ce projet avec euh, les autorités nigériennes. Il y aura sûrement, n'est-ce pas, euh, le Niger va accepter de rester, de venir au même, sur la même table de, avec, euh, avec le, les Béninois pour échanger, n'est-ce pas, et voir ce qui ne va pas. Parce que moi, j'estime que du côté du Niger, il n'y a pas de problème. C'est le Bénin qui estime qu'il y a des failles quelque part et qu'il va falloir colmater les brèches et repartir sur des bonnes bases. L'un dans l'autre, c'est qu'il faut se dire, il faut déjà se réjouir du fait que eh, le brut, le chargement va être, va être fait peut-être même ce jour c'est parce que ça fait, ça prend 36 heures selon certaines informations. Donc euh, voilà, le chargement fera, prendra 36 heures, donc 24 heures plus 12 euh, heures, donc une journée et, demie. Alors je crois que euh, il faut se réjouir au moins du fait que le chargement a commencé et avec l'espoir bien compris que les trois parties vont quand même regarder de la même direction, harmoniser leur point de vue et que ce soit la fin, n'est-ce pas, de cette euh, situation liée au pétrole nigérien à partir de ces mépodies. Voilà, euh, donc euh, les négociations, il le faut. je donne la parole au doyen Ouseni Issa est-ce que les autorités nigériennes et béninoises ont besoin d'un intermédiaire euh, étranger pour régler ces problèmes Quel est le problème La crise qui est encore en train les deux pays. ça provient d'où Non, il faut aller, il faut qu'on que, se dise un certain nombre de choses. C'est nous qui avons les ressources. On est dans une situation où nos ressources même, on ne les exploite pas comme on veut. On est dans cette situation-là. Alors, quand la situation se présente, est-ce que les autorités béninoises, euh, ils peuvent décider à notre place moi, je me dis quelque part, et de manière globale, pas seulement le Niger, le Bénin ou le, Mali ou le Burkina Faso, tous les pays doivent s'inscrire dans cette logique-là. Quelqu'un, il est venu, il t'a fait, il a fait de toi esclave. Il est venu ensuite, il a dit, il va te coloniser parce que tu connais rien. Moi, je suis de ceux qui pensent que ils sont pas plus intelligents que nous. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où les gens comprennent les choses. C'est tout à fait. Monsieur Abba Armi, est-ce que cette crise de ces derniers jours entre les deux pays a impacté les liens sociaux qui lient les populations des deux pays Non, vous savez, euh, ni la colonisation, ni encore nos États euh, actuels. Euh, oui, par la force des de, choses, les familles s'éloignent au fur et à mesure parce qu'ils ne dépendent plus des mêmes autorités, ne dépendent plus des mêmes euh, politiques, des mêmes euh, territoires. Mais euh, ça n'a rien à voir, à mon avis, au sein de la population qui, aujourd'hui, notamment grâce au téléphone, même quand la frontière est formée, les gens peuvent au quotidien se parler et ton cousin ou ton grand-père ou ton oncle qui est de l'autre côté, le reste il n'y a absolument pas. Moi, je pense que même des, à part quelques, même sur les réseaux sociaux, hein, à part quelques gens vraiment euh, qui ne comprennent rien à rien, je n'ai pas vu même des langage, un langage déplacé au sein de la population. Je crois que ce risque-là, euh, il n'y a pas d'autorité capable euh, de le vraiment susciter je suppose que nos populations sont très conscientes. Et déjà, quand on parlait de la crise avec la CDAO, euh, c'était clair, les gens ont dit que la population est en avance sur euh, les politiques. Les politiques, euh, ils font ce qu'ils veulent, mais ce que Dieu a dit, ce n'est pas un individu qui peut les séparer. Les colons, ils ont tout fait, ils ont tracé des frontières vraiment imaginaires au sein d'une même famille, au sein de même village. Il y a des villages à la frontière où c'est juste une rue qui constitue la frontière. Euh, dans la région de Difa, c'est juste la Komadougou bah, à plusieurs endroits qui constituent euh, la frontière entre le Niger et le Nigeria. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui l'a tracé, on est, on est venu décider euh, de façon vraiment autoritaire et vraiment pour dire que voilà, c'est désormais vous êtes différents de part et d'autre. Mais euh, ça, ça ne peut pas. Les gens, l'être humain est doué quand même de raison. Et donc, les, gens sont jusque-là restés ensemble et ce n'est pas à cause de ça. Je crois que ça ne peut pas arriver. Et heureusement, je crois que les autorités aussi, à cause de cela, ne seront jamais en mesure de franchir un certain pas. Euh, maintenant, des choses inattendues et inexpliquées comme ce que la CDAO a voulu euh, faire peuvent venir. Mais même ça, vous avez vu, c'est les populations de part et d'autre qui ont fait échouer. La population du nord Nigeria et même du Bénin, n'est-ce pas, même des autorités, des, anciennes autorités, des hommes politiques du Bénin, ils ont vraiment levé la voix. Ils ont dit non, on s'est fait mal à nous-mêmes. Et donc c'est impossible. Hein. Je crois que euh, l'unité entre nos pays, euh, c'est quelque chose qui peut prendre peut-être pour moult raisons, qui peut prendre du temps, mais c'est indéniable, c'est vraiment irréfutable que ça va arriver, Inch'Allah. Ok, voilà. Je veux juste compléter, Amy. Dans la zone de garde, que je connais un peu bien, c'est que de part et d'autre de la frontière, c'est les mêmes familles. C'est les mêmes villages. C'est quelqu'un qui est venu. liens sociaux non, non, non, mais non, c'est des familles. Ce n'est pas, c'est pas une affaire de liens sociaux. C'est des familles. Moi, j'ai mon cousin de l'autre côté. J'ai, voilà, voilà, alors ça marche pas. Merci à vous trois pour euh, la première partie de cette euh, émission. Nous allons marquer une petite pause. Voilà, Studio Kalangou, bon retour euh, au studio. Nous l'avons annoncé, le ministre des Mines, le commissaire euh, colonel Ousmane Abarchi était du 4 au 14 mai 2024 dans la région d'Agadez pour une visite euh, de travail. Après les départements d'Arlit, les départements d'Ingal et celui de Chirozérine, le 14 mai dernier, il a présenté la synthèse de sa visite. Des décisions très importantes hein, ont marqué cette visite. nous allons commencer par vous, monsieur Armi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite entre autres, hein, ce que j'ai pu euh, voir, en tout cas à, travers les, notamment les médias publics, euh, c'est qu'il y a des mines, par exemple, dont l'exploitation aurait été... Euh, la décision a été prise d'arrêter certaines exploitations, que, mais ce que je retiens, c'est que la secrétaire générale notamment du, ministère avait dit que c'était pour remettre de l'ordre, pour permettre à l'État euh, de rentrer dans ses droits. Et il y a même une mine où le gouverneur de la région d'Agadez a écrit pour demander de retarder un peu la fermeture parce que l'État doit récupérer notamment les taxes et autres euh, impôts. Euh, je pense que oui, il faut euh, réglementer. Il faut réglementer, sécuriser, parce que j'ai vu que c'est une activité, un travail à trois étapes qui doivent se faire, fermer, sécuriser et puis euh, revenir ouvrir pour que des gens légalement reconnus par l'État euh, reprennent le contrôle et l'exploitation. Oui, je pense qu'il le faut. parce que avec justement l'avènement du CNSP, euh, on a vu que énormément d'or sort de notre pays sans que l'État nigérien euh, n'ait rien à gagner. C'est une fois en Éthiopie où, là on se rend compte qu'il y a 1000 kg euh, de d'or ou plus, combien de milliards, des milliards et des milliards d'or qui sont, sortis. Mais même pas de traces chez nous. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, c'est facile à tracer que ce or là de, savoir de, de, savoir que ce tort-là devient de quel pays et tout. Mais en tout cas, dans nos recettes, jusqu'à aujourd'hui, même là où on exploite de façon la plus formelle possible à Samira, euh, on n'a même pas de recettes positives à plus forte raison tirer des bénéfices ou avoir vraiment des impôts qui puissent faire marcher les choses. Or, des pays voisins, n'est-ce pas, où c'est relativement mieux réglementé au Burkina et au Mali, ils s'en sortent, ils tirent leur épingle du jeu, comme on le dit. Et c'est à ce jeu que euh, l'État nigérien euh, s'y prête, se prête, parce que sinon, ça devient une jungle. Une jungle où c'est les individus qui remplacent l'État, qui font la loi. Et vous savez, s'il y a un État, c'est parce que justement l'homme individuellement pris n'est pas le mieux placé pour faire de l'ordre ou que ce soit. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Euh, il faut vraiment euh, temporiser cette histoire malheureusement aussi des gens d'autres territoires, hein, d'autres pays viennent euh, pour semer le trouble, euh, faire de n'importe quoi. Et les attaques de la région euh, qui se passent dans la région d'Agadez aujourd'hui, sur 5, 6, 3, 4 sont liées à l'or. Euh, donc, ce qui fait que vraiment, je pense qu'il faut réglementer cette affaire. Voilà, toujours c'est dans ce sens que le ministre euh, des Mines a parlé de l'utilisation abusive et non encadrée des produits chimiques ayant des conséquences sur l'environnement. Cette question a été abordée. Les ministre évoque également la contamination des nappes euh, phréatiques. quel risque pour les populations de la zone, Monsieur Abdullah Soumana oui, il y a eu déjà des risques euh, formels, hein, notamment avec euh, la mort enregistrée dans, sur euh, certains bétails, hein, mhm. n'est-ce pas Et on a vu quelque part un de nos confrères sur place pour ne pas le citer, ailleurs info, qui a tiré la sonnette d'alarme avec la mort, l'empoisonnement, n'est-ce pas, donc de comment ce qu'on appelle des produits chimiques et a entraîné la mort de, des chèvres de 24 euh, chèvres, en tout cas une vingtaine, une trentaine euh, comme ça, qui a suscité une inquiétude légitime au niveau des éleveurs et comme ça. Alors, euh, l'utilisation abusive, le ministre effectivement l'a dit, l'a relevé lors de la synthèse qu'il a eu à faire à l'issue de, euh, de sa visite de, 15, de 14 jours, de deux semaines euh, au niveau de la région de d'Agadez, que l'utilisation des produits chimiques abusifs, n'est-ce pas, entraîne des conséquences néfastes aussi bien sur l'environnement et que sur la nappe euh, phréatique. et également sur les humains euh, euh, à, long terme. Souvent, c'est une mort silencieuse, n'est-ce pas Oui, déjà, il l'a évoqué. Et donc, c'est confirmé par l'État parce que quand un ministre parle de ces choses, c'est qu'il y a une grande confirmation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a les risques. Les nappes phréatiques sont contaminées. Qu'est-ce qu'il faut faire oui, ce qu'il faut faire, déjà pour euh, parler de, des nappes phréatiques euh, contaminées, le ministre a été clair, hein, il y a certains sites qui ont été fermés et également, je crois qu'il a eu à dire que c'est des sites qui n'étaient pas à exploiter. Il a également évoqué cet aspect, c'est-à-dire désormais il va falloir euh, situer les, les, les, sites où il faut, qu'ils soient sont exploitables. Et là, il a été également clair, il a dit il faut formuler de nouvelles demandes, n'est-ce pas, de permis d'exploitation. De, d'exploitation il a dit. Alors, dans ces cas de figure, il y aura d'autres, de nouveaux sites qui vont être exploitables cette fois-ci, n'est-ce pas, qui vont être attribués, n'est-ce pas, aux potentiels euh, euh, demandeurs. Voilà, Monsieur Ousseini, le ministre des Mines, a réaffirmé l'intention des autorités actuelles euh, de faire du secteur minier est levier de la croissance euh, économique euh, du pays. Euh, la souveraineté dans les secteurs miniers, selon vous, est-elle possible avec l'appui des puissances étrangères autour de ces secteurs Pourquoi ce n'est pas possible Ça m'appartient, ça m'appartient. Comment quelqu'un peut décider que c'est parce qu'il est venu, il m'a colonisé avec un canon et il peut décider que pendant toute ma vie, c'est lui qui va décider à ma place. Il faut qu'on soit raisonnable. Les puissances, les puissances. Ils sont là. On a pris conscience. Actuellement, il y a le problème du Somira. Ils sont venus, ils ont décidé. Toutes ces questions-là, il faut remettre ça sur la table. On a été bousillés par les Français. Depuis pratiquement 69 jusqu'à aujourd'hui, on a gagné quoi dedans Ils sont allés jusqu'à bloquer karma l'exploitation de l'uranium parce qu'ils disent que le produit ne vaut rien Hier, le ministre a évoqué la reprise du corps de l'uranium et d'autres sociétés n'ont pas encore commencé les travaux. mais on a qu'à, mais ils ont mis une clause où tous les trois ans, ils vont revenir pour dire voilà les clauses, on ne peut pas donner ça, on ne peut pas mettre ça sur le marché. C'est des conneries. Ça m'appartient. Pourquoi toi, tu vas me dire que ma matière, mon produit, d'abord tu as dévalorisé, tu as montré et tu as trouvé déjà à l'époque moi, moi, je suis de ceux qui pensent que on remet tout sur la table. On regarde qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon là, on te, on te dit si tu n'es pas d'accord, va-t'en. On va trouver un partenaire. Donc selon vous, il faut être vraiment regarde, exigeant moi, je vais te dire une chose. Le pétrole là, s'il n'y avait pas eu Tanja, on serait dans une situation difficile. C'est Tanja qui a dit j'ai du pétrole. Parce que les gens ont. Moi, j'ai fait Difa. Je suis resté à Difa. Moi, je suis allé sur le site de Agadem là. Personnellement, je suis allé, je, suis resté pendant pratiquement un mois. J'ai vu des compagnies. Les gens viennent, on enlève, on dit non, la quantité n'est pas suffisante. C'est pas important la quantité. Les compagnies occidentales sont venues, ils sont allés, ils ont une machine. Aujourd'hui, les Chinois. Aujourd'hui, on est en train de découvrir d'autres sites. Même dans la zone d'Agadem, on a trouvé encore des quantités de gisements importants. C'est pour dire qu'il faut qu'on sorte de cette logique de considérer que c'est quelqu'un qui va venir décider. Ils se sont développés avec ces ressources-là. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que l'exploitation de ces ressources puisse permettre de créer les conditions pour qu'on forme les Nigériens, qu'on crée les conditions d'un épanouissement des citoyens nigériens. Pas autre chose. Mais sinon, quelqu'un va venir dire, ils sont quoi non, il faut qu'on arrête. Moi, j'ai dit, il faut qu'on arrête. Moi, moi, c'est pas une affaire de. Je suis révolté. C'est tout simplement une affaire de constat qu'on nous a maintenu dans une situation, on a créé des situations où on a créé des situations où même l'école est démantelée. La santé est démantelée. La santé est démantelée, c'est sur ces propos du doyen Ousseini Issa que nous allons marquer une pause avant d'entamer notre troisième sujet. Le troisième sujet et la dernière partie de ce forum portent sur les problèmes foncés entre l'université Abdou Moumouni de Niamey et les populations du village euh, du Nogaré dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Euh, chers invités, euh, je vous propose d'écouter d'abord ces sons pour revenir après. Il y a l'université Abdou de Niamey qui est en train de diriger un mur. Et ce mur, selon son plan initial, doit carrément traverser le village de Nogaré ce qui à nos yeux n'est pas normal et c'est inadmissible. Nous ne contestons pas que l'université détient un titre foncier. Maintenant, ce que nous dénonçons, c'est la façon dont le titre foncier a été obtenu. Je vais vous faire la situation telle qu'elle s'était passée. Au départ, il y a eu la visite de quatre dignitaires du régime PPNRDA, quatre ministres. Donc ces, ces ministres, au nombre de quatre, ils étaient venus à bord de deux Land Rover. Ils ont demandé à voir le chef de village de l'époque, ce qui a été fait. Au cours de la rencontre, ils ont émis le souhait d'obtenir un espace dans le but de création d'une école de deux bâtiments. Donc le chef de à l'époque, il dit une école, c'est un bien de toute la communauté, il ne voit pas d'inconvénient. Et c'est ainsi que les deux parties ont convenu de la création de cette école de deux bâtiments, actuellement là où se trouve la fac des lettres. Aujourd'hui, avec le titre foncier, l'université se retrouve avec 109 hectares. Outre l'université, il y a l'hôpital Amirou Boubaka, il y a l'école EMIG, il y a l'IRI Institut Radio Isotope, il y a INGS, il y a RI du Niger, il y a les rizières, il y a Agrimet. Tous ces sites-là sont situés dans le Nongare. Et personne, je dis, personne n'a été endommagé. Mais c'est trop. C'est l'un des porte-parole des populations euh, de Nogaré euh, qui réclament euh, réparation et qui dénonce la construction de ces murs qui va traverser leur village. Mais c'est Abba Armi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation Bon, sincèrement, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas parce que la façon dont le porte-parole a décrit cette situation-là, je trouve ça très léger. Si c'est le cas, euh, bien avant, et même si ce n'est pas le cas, euh, dédommager une population, lui proposer un autre site, par exemple. Ça, c'est des choses euh, élémentaires en dépossédant une population de ces terres. surtout, depuis 30 ans que nous-mêmes nous sommes ici, un peu plus même d'ailleurs, on a constaté justement que, bon, il continue à cultiver euh, leur terre, n'est-ce pas, entre l'hôpital euh, La Mordée et la fac euh, de pédagogie de l'époque, de l'époque, l'école supérieure de la, de l'éducation aujourd'hui, l'école normale supérieure. Bon, il y a des champs qui sont là de part et d'autre, souvent même des très bonnes terres de culture. Mais je pense que il faut plutôt insister là où pas, il faut commencer par là où il a fini, la question de dédommagement si ça n'a jamais été fait, n'est-ce pas, euh, et que n'ont pas été depuis longtemps dépossédés, euh, parce que, à mon avis, il est impossible aujourd'hui de dire que l'université de Niamey, il faut le déplacer. Euh, même en cas d'extension, c'est après, après, avoir mis en valeur le terrain restant. Dieu sait que ce n'est pas grand d'ailleurs ce qui reste, parce que au Niger, euh, l'université n'a pas beaucoup euh, évolué euh, pour, des raisons que Ousseini a évoquées tantôt, parce que l'ancien maître n'est-ce pas, ne voulait pas justement qu'on s'apaisantisse sur l'enseignement supérieur. Sinon, depuis longtemps, l'université de Niamey aurait, déjà englouti sous tout cet espace-là. Maintenant, oui, euh, la terre appartient à l'État. Il ne faut pas se le cacher. malheureusement, euh, chacun chez lui en souffre quelque part parce que l'État a décidé de s'accaparer, d'accaparer, d'exploiter, de mettre en valeur une partie des terres. Mais en la matière, ce qui se passe, c'est que ça se fait euh, vraiment en concertation avec les populations. N'est-ce pas Voilà ce qu'on a décidé qu'on va faire du terrain sur lequel vous êtes actuellement. On va vous déplacer quand on a voulu construire l'hôtel Gawé, la population de Gawé a été déplacée et le Gawé actuel, s'est euh, devenu Gawé aussi. Euh, donc c'est la même chose qui, qui se fait, c'est l'intérêt public, c'est l'intérêt euh, commun, mais je pense que Aujourd'hui, nous avons des textes, des règlements en matière de foncier qui peuvent facilement euh, régler ça. Oui, si la population de Nogari n'a pas été euh, dédommagée, il faut les dédommager. Mais vraiment, prendre soin de ce qui a été advenu depuis le début euh, l'université, c'est une institution, hein. ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut euh, déplacer ou vraiment détruire, démolir quelque chose. Non, il ne faut même pas songer à ces choses. Je crois qu'il faut commencer par là où il a fini. Il faut dédommager la population si ça n'a pas été le cas. C'est tout. Monsieur Abdoulaye Soumana, euh, selon vous, pourquoi c'est maintenant les populations de nos euh, proteste contre euh, la construction de certains espaces de l'université de Niamey Bon, je ne crois pas que ce soit une protestation. Hein. Euh, je crois que c'est un besoin, un cri de cœur, n'est-ce pas, pour appeler les nouvelles autorités, notamment le CNSP. Et ils ont été même clairs, ils ont fait un message en direction du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, pour que, n'est-ce pas, euh, ils soient dédommagés. Je crois que c'est surtout ça. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, je, viens d'entendre que c'est euh, depuis l'époque du PPN RDA avec une demande de, construction de deux salles de classe qui a évolué jusqu'à ce qu'il y ait n'est-ce pas, l'université et également l'hôpital de, et bien d'autres sites, notamment le, le, le RINI, la Direction Générale du riz du Niger. Alors aujourd'hui, peut-être que c'est plus ou moins favorable, hein, le contexte peut-être ici pour que, avec des oreilles plus ou moins attentives, hein, selon eux, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, eux, ils soient dédommagés. Moi, je m'inscris déjà dans cette logique de dédommagement plus que l'épreuve de force. Dans tous les cas, ça ne va rien changer. Arimi vient de le souligner avec euh, force. La terre appartient à l'État. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se, se, se leurrer. Hein. Maintenant, euh, la meilleure démarche, c'est, n'est-ce pas, la conciliation et trouver, n'est-ce pas, un mécanisme pour pouvoir essayer, n'est-ce pas, de dédommager eh, les habitants de Nongare. Le dernier Conseil des ministres a déjà fait eh, un cas similaire, hein, n'est-ce pas, avec eh, une partie au niveau de et je crois, qui va être bientôt, un édifice va être construit. Oui, la place a été déclarée d'utilité publique et que le Conseil des ministres a également dit que les dispositions préalables en termes de dédommagement, n'est-ce pas, donc euh, de, la population résidente et riveraine va être euh, euh, engagée. Je crois que si en amont, n'est-ce pas, cette situation n'a pas été le cas au niveau de non-arrêt, peut-être que aujourd'hui que le gouvernement va essayer de se pencher et prendre la solution après le corps trouver euh, Il est favorable à cette situation que moi je ne souhaiterais pas qu'il y ait un certain dégarpissement, parce que quand on va parler de dégarpissement, ce sera par la force. Encore que c'est même une zone inondable. Donc voyez-vous, beaucoup de populations ont même dû quitter, n'est-ce pas, avec les dernières inondations que nous avons eu à, connaître. Doyen Ousseini Issa, c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 euh, qui dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré. il ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constaté, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ces dispositions ont été reprises euh, pratiquement par toutes les constitutions du Niger. Est-ce que selon vous, ces populations-là doivent vraiment être euh, indemnisées on doit les indemniser. Mais moi, je connais, j'ai parté à enlever Colosi dans les <laughs> années 76. Là-bas, il y avait l'école supérieure des sciences. C'était le seul bloc qu'il y avait à ce moment-là dans les années là. 72, on a commencé à construire d'autres bâtiments et tout et tout. Mais maintenant, je suis d'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a suscité subitement. Les gens sont sortis pour dire. Le nouveau mur là. Hein? Le nouveau mur. Moi, je ne connais pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans la zone. J'ai fait l'université. Mais je ne connais pas ce qui a suscité tout ça. Mais moi, je vais dire quelque chose. C'est que l'université, quand même, quand même, un, espace, un domaine, il faut élargir au fur et à mesure que ça grandit. Il faut des espaces. Mais il ne conteste pas, en fait, que l'université détienne est titre fonciers. Mais moi, je veux dire, D'abord, ça a commencé par vers la zone de Lamogde. Lamogde. Lamogde, c'était le village, l'un des premiers villages. Village, voilà. Ensuite, Nogari et tout et tout. C'est quelque chose que je connais. Je connais. Gawé, quand Gawé a été déplacé, moi j'avais une tante qui. J'ai parti à pied pour, pour une visite. Gawé était à l'emplacement. Alors, tout ça là, moi j'ai dit, c'est des choses qui peuvent se régler à l'amiable. Poser le problème, le contexte est favorable peut-être aujourd'hui, parce que c'est un contexte quelque part militaire. On peut régler les problèmes. Euh, les gens sont sensibles aux problèmes qui, peuvent être posés, mais c'est des problèmes qui existent depuis, depuis, depuis, depuis des décennies. Et puis bon, voilà, subitement, les gens sortent ces problèmes, ils les posent et on en fait. Non, moi je pense que ça n'a pas besoin de susciter un débat. Euh, machin. Il y a beaucoup de problèmes dans ce cas. Il y a beaucoup de problèmes de cette nature-là, de problèmes liés à Comment ça m'appartient ou ça m'appartient pas Il y en a beaucoup. Pas ici seulement, hein. y compris à l'intérieur du, à du pays, quand c'est d'utilité publique où l'État décide. La dernière fois, tout à l'heure, il m'a dit est-ce que maintenant le site là s'est déclaré d'utilité publique lui-même Parce que l'inquiétude de ces populations, c'est de ne pas surtout continuer la construction de ces murs qui va provoquer leur euh, Non, non, non, les gens font du bruit. Il y en a qui connaissent même pas c'est quoi. Ils parlent parce qu'il y a l'argent peut-être. On se dit que il y a des retombées, machin, de l'argent qui va. Mais moi, je dis, on peut régler à l'amiable toutes ces questions-là. S'il y a un suivi, c'est-à-dire, le tout n'est pas. Parce que les gens, souvent, même quand ils se mettent au devant pour faire du bruit, quand ils prennent là, les autres là, ils vont, ils voient rien. Ils voient rien, c'est quoi C'est quoi les retombées Voilà. Il y a plein de gens, on, les convoque parce que quelqu'un, quelques gens qui se sont levés pour se mettre devant, pour dire Ah non, nous, nous allons lutter pour que. On... Mais quand ça tombe là, il y en a qui vont rien voir dedans. Ça bénéficie juste moi, je veux qu'on dommages. C'est des textes qui prévoient ça. Vous voulez prendre la place de quelqu'un, l'espace, le terrain, il faut lui donner un moyen pour pouvoir créer, construire sa maison. Voilà un peu, moi, mon principe. Mais moi, je me dis que quand je vois subitement là, du jour au lendemain, y a des gens faire du bruit autour de ces questions-là. Je me pose des questions. Expropriation. C'est aujourd'hui, ça a commencé, c'est en 72. 72, euh, à partir de 72. L'école supérieure des sciences a été créée en 71, 71, 70, 71, 72. Voilà, c'est sur ces propos du doyen Ousseini Issa, journaliste euh, indépendant, que nous sommes arrivés à la fin de ce forum de presse euh, des studios Kalangu. Nous étions avec. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant, Arumi Abba, journaliste à la radio alternative, à la technique, c'était Mustapha Ayouba. Quant à la modération, je suis Ternan Foudahmed. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end.